vendredi 9 juin 2023. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires en streaming sur notre site www.istudiokalangou.org. Je suis Salamatou Kadri alias Sali et à mes côtés Rabia Maikano. Rabi, bonjour. Bonjour Sali, ça va Super cool. Comment tu vas Rabi Ça va super. Alors, rappelle-nous le programme de ce vendredi 9 juin 2023. Salut, dans cette édition, nous avons le privilège de recevoir pour la rubrique Entretien M. Ibrahim Sheikh Diop, journaliste politique et expert en communication. Avec plus de 30 ans de carrière, son point de vue sur l'évolution de ce métier au Niger nous intéresse. Et comme chaque vendredi, vous suivrez la revue de la presse. Pour le cours des régions, nous ferons un tour dans la capitale économique du Niger, à Maradi, pour découvrir la culture du sultanat de Gobir. Rabi, notre playlist d'aujourd'hui revient sur quelques artistes et groupes musicaux qui ont fait la promotion des instruments de musique traditionnelle du Niger. Restez câblés pour ne pas rater une miette du programme. Allez, c'est parti. plus tarder, voici le flash avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Rabia Mekano, bonjour Salamatou Kadri. Le flash d'information à présent. Le président de la République, Bazoum Mohamed, honorera pour la troisième année consécutive la finale de la Coupe nationale de football du Niger euh, qui se jouera ce, euh, euh, demain 10 juin au stade général Sénikounché de Niamey. L'annonce a été faite hier par le président de la commission communication et marketing de la Fédération nigérienne de football, Sileman Mohamed, au cours d'une conférence de presse. Cette finale mettra aux prises l'équipe de l'association sportive de la Garde nationale du Niger ASGNN et celle de la douane ASD, vainqueur de l'édition précédente. La fin du forum international sur la Grande Muraille Verte s'est tenue à Niamey du 5 au 8 juin a été sanctionnée par une déclaration dite de Niamey pour leur pleine implication dans la réalisation du projet de la Grande Muraille Verte pour le Sahel. Les opérateurs économiques de l'espace demandent des mesures propices aux investissements auprès des autorités des pays concernés, notamment fiscales et celles et des facilités d'accès au crédit. Le projet de la Grande Muraille Verte, il faut le rappeler, est un projet africain qui vise à créer euh, plus de résilience des communautés, des écosystèmes et la production alimentaire euh, durable. Euh, actualité hors de chez nous au Sénégal après la condamnation par la justice de l'opposant Ousmane Sonko la semaine dernière à Dakar et Dakar et plusieurs villes du pays ont été secouées par des violentes manifestations. Plusieurs infrastructures dont l'université Cheikh Anta Diop où sont inscrits de nombreux étudiants nigériens ont été fermés selon le président de l'amicale des étudiants nigériens et stagiaire au Sénégal au vu de la situation, quelques écoles ont été transférées en ligne euh, pour la continuité des programmes académiques. Il précise euh, qu'un numéro vert est mis en place pour ceux qui seront en difficulté. Mais pour l'heure, le calme revient progressivement et les étudiants se portent bien, à préciser le représentant, des étudiants nigériens au Sénégal. C'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 9 euh, juin 2023. Euh, Passez donc euh, d'agréables moments en compagnie de nos collègues. Merci bien, Mokhtar. À bientôt. Chers auditeurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes ce matin avec M. Ibrahim Sheikh Diop. Il est journaliste politique et expert en communication ici au Niger. Du haut de ses trois Décennies de carrière, il va nous faire part de la situation du journalisme en ce moment et son évolution à travers le temps. Bonjour Monsieur Diop. Bonjour. Et euh, soyez les bienvenus sur euh, le Niger sur Merci. <laughs> D'accord, monsieur, avant de vous donner la parole, je vous propose de suivre avec nous le titre K.O. Nono de feu docteur Maman Garba. C'est un grand artiste qui fait partie de ceux qui ont vraiment fait la promotion de nos instruments de musique traditionnelle. On kiffe on revient. Ah. titulaire d'un doctorat en ethnomusicologie, cette science humaine qui étudie les rapports entre le rapport entre musique et société. Il était avant tout un artiste musicien. Il était également un cadre du ministère de la Culture, où il a rempli les fonctions de directeur du Centre de formation et de promotion musicale CFPM Al-Hajtaya de Niamey. Par là, en 1995, il a créé le Musée des instruments traditionnels de musique du CFPM Taya, où sont exposés des instruments provenant de toutes les ethnies et les groupes sociolinguistiques du Niger. Malheureusement, aujourd'hui, peu de Nigériens connaissent l'existence de ce conservatoire. Feu docteur euh, Mamangarba est auteur de plusieurs morceaux comme Salamotu, Kao, Nono, Nena et et bien d'autres titres, euh, titres célèbres, ceux qui ont marqué les de son époque. Feu docteur Mamangarba faisait partie de la deuxième génération des musiciens modernes nigériens. L'artiste et l'homme a beaucoup apporté au rayonnement de la culture nigérienne. Ces monuments de la musique nigérienne nous a quittés en 2009 une grande perte hein, pour l'univers de la culture. Euh, Après la pause musicale, chers auditeurs, revenons à notre invité du jour. Et oui, Sally, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de M. Ibrahim Sheikh Diop. Il fait partie des plus grands journalistes du Niger. Oh. Rebonjour, Monsieur Diop. Bonjour. Je suis sûr que comme nous, euh, nos auditeurs aimeraient bien connaître votre parcours. Qui est euh, Monsieur Diop Bon, je ne sais pas trop je, par quoi commencer, parce que j'ai tellement chevauché plus euh, à droite à gauche. Mais en réalité, j'étais un ancien fonctionnaire du ministère de la Communication où j'ai exercé pendant longtemps, à l'époque du, du, Sahel, du temps du Niger. donc, euh, je suis rentré de France après mes études de philosophie et, de communication. Je suis rentré, j'ai exercé dans la rédaction comme tout débutant euh, au Sahel, qui est devenu l'ONEP aujourd'hui. Rédacteur, rédacteur en chef, euh, directeur adjoint. Donc, je fais toutes les étapes. Et j'ai beaucoup aimé le métier parce que euh, c'était pas au départ prévu que j'aille là-bas, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études de philosophie. Mhm. Et quand j'ai commencé, je me suis retrouvé avec un régime, il faut dire le, le, mot, hein, un régime qui était un régime dictatorial, puisque c'était euh, le général Séné que tout le monde a connu, qui était donc un militaire. Et je vous avoue que j'ai aimé travailler avec lui parce que je trouvais qu'il avait un sens patriotique très élevé, euh, qu'il aimait beaucoup son pays et qu'il se donnait à fond pour euh, rendre les Nigériens heureux, en tout cas, du, moins sa conception du bonheur des Nigériens. Euh, vous rappelez-vous que le coup d'État de 1974 qu'il a mis au pouvoir est intervenu parce que tout simplement les Nigériens mouraient de faim et que l'armée a pris le pouvoir justement pour arrêter ce drame-là je crois qu'à un certain moment de votre parcours, vous avez basculé vers euh, le privé, c'est ça oui, justement, euh, après, après, après, après avoir travaillé pendant quelques années, euh, vers la, vers la fin, c'était pratiquement, j'étais très malade et puis l'ambiance n'était plus à l'enthousiasme, pour dire la vérité. J'ai pris mon PAIPCE, on appelle ça le, le, départ volontaire, pour me lancer dans l'aventure de la presse privée. À l'époque, c'était c'était quelque chose d'inconnu au Niger, n'est-ce pas <laughs> Et euh, pour créer, vers les années 90, ASKE. ASKE, qui, comme chacun le sait, qui veut dire la lumière. on entendait apporter une autre, un autre éclairage, en tout cas des réalités nigériennes. Euh, mal m'en a pris parce que à l'époque, ce euh, c'était pas évident que la lumière fuse parce que c'était un régime militaire et que la lumière devait se faire au dépend de, certaines exactions, notamment des, militaires au pouvoir. j'ai eu des débuts très difficiles. Mais les forces vives de la nation à l'époque, qui eux préparaient activement la conférence nationale, m'ont beaucoup soutenu. Pour la petite histoire, euh, j'étais même gardé, ma rédaction était gardée par des militants <laughs> qui devaient me prévenir en cas d'incursion de, de la troupe, on l'appelait la troupe à l'époque, et, une, autre, anecdote qui me, revient, c'est qu'à un moment donné, j'étais obligé d'aller me réfugier au Bénin, tout simplement, et d'envoyer le journal du Bénin au Niger, parce que tout simplement, euh, certaines ambassades qui, trouvaient que c'était une très bonne initiative m'avaient prévenu qu'ils pouvaient avoir euh, un peu d'esclaves et que on pouvait avoir des problèmes. Ok, d'accord. Monsieur Diop, parle-nous du métier de journaliste. Bon, qu'est-ce qui le caractérise moi, j'ai toujours pensé que c'était un sacerdoce. Dans le sens où, je me souviens encore, moi j'aime beaucoup les anecdotes. Quand j'étais enseignant en liftique, à la même période, je disais aux étudiants, écoutez, vous allez rentrer journaliste ici, mais vous n'en sortirez pas journaliste. Qu'est-ce que je voulais dire par là Je voulais leur dire que vous venez avec un état d'esprit et que cet état d'esprit-là, s'il est bon, s'il correspond à l'état d'esprit d'un bon journaliste, vous allez être des bons journalistes. Sinon, euh, si vous sortez avec des diplômes, il vaut mieux aller être commis aux écritures, aux finances, hein, n'importe quoi. En tout cas, c'est une passion aussi. C'est une passion parce qu'il y a beaucoup de, frustration. il n'y a pas beaucoup d'argent, contrairement à ce que les gens croient. Si vous voulez vous enrichir, ne faites pas du journalisme. Du moins, si vous voulez faire du bon journalisme, ne croyez pas que vous allez vous enrichir avec la presse. <laughs> ah oui, ça c'est clair. <laughs> Ok, d'accord. Merci, Monsieur Diop. Avant de continuer notre entretien, chers auditeurs, marquons une pause avec la revue de presse présentée par Nafissa Adamou. Bonjour Nafissa. Bonjour Rabi. Bonjour Salamatou. Bonjour Nafi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Allô Nafi. Eh? on s'en mêle un peu les pinceaux avec euh, <laughs> nos papiers. Nous débutons donc euh, cette revue de presse avec le forum sur la Grande Muraille Verte qui s'est tenu du 5 au 8 juin, qui s'est refermé sur une note de satisfaction des acteurs mobilisés, indique le journal Moria. En effet, donc, le forum inaugural sur la Muraille Verte a initié par l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou a pris fin hier. Il avait pour thème créer des marchés et restaurer les terres au Sahel pour les populations et la planète. Durant quatre jours, les échanges ont porté sur la mobilisation et l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille. À l'issue donc de ce forum, une déclaration de Niamey a été adoptée, ajoute le journal Mouria. Et selon Issoufou Mahamadou, champion de la muraille verte, Investir dans l'initiative Muraille Verte permettra un bon retour sur investissement tout en restaurant les écosystèmes fragiles. Nafissa, autre actualité qui a marqué la semaine, c'est la question du convoyage des pèlerins nigériens à la Mecque pour le Hajj 2023. Et oui, Rabi, selon le journal Le Sahel, les premiers vols charters de convoyage des pèlerins nigériens pour le Hajj 2023 ont débuté lundi 5 juin 2023. Un premier vol charter d'Ethiopian Airlines avec à son bord 609 pèlerins dont les 158 de l'année dernière qui avaient raté leur vol a quitté donc le lundi à destination de Médine. Ces opérations de convoyage seront assurées par Ethiopian Airlines et Max Air. Ainsi, c'est hier 8 juin que le premier vol de la compagnie Max Air avec à son bord 555 pèlerins a quitté Niamey pour Médine. Selon la commission à l'organisation du Hajj et de la Omra, cette année, c'est un quota de 15 891 pèlerins qui est octroyée au Niger et cette opération de convoiage des pèlerins se poursuivra jusqu'au 22 juin 2023. Neuf signatures d'accord de paix entre les communautés du département de Walam, promouvoir la paix et la coexistence pacifique dans le Zarmaganda, annonce le Sahel. En effet, au cours d'un forum sur la paix qui s'est tenu le dimanche 4 juin à Tondikiwindi, région de Tilabiri, un accord de paix entre les communautés du département de Wolom a été signé. Une signature, selon le journal Le Sahel, qui permettra, qui mettra autant pour moi fin aux violences intercommunautaires et promouvoir la coexistence pacifique dans le Zarmaganda. Ainsi, toutes les communautés ont accepté au cours de ce forum de mettre fin aux violences et d'œuvrer pour la paix. C'est la fin de cette revue. Merci Nafi. Merci Nafi. C'était la revue de la presse. Poursuivons euh, notre entretien avec notre invité, M. Ibrahim Sheikh Diop, qui a un parcours super inspirant <laughs> au passage. Comment était exercé le journalisme dans le temps et maintenant tel que vous le voyez dans les médias euh, J'avoue que rétrospectivement, n'est-ce pas, euh, les choses ont beaucoup changé. Euh, je vous disais donc euh, tantôt que j'ai commencé euh, le journalisme actif et peut-être indépendant dans les années 90, c'était très enthousiasmant parce qu'on luttait pour une cause qui était l'avènement de la démocratie au Niger, donc la fin monopartisme et, l'avènement du multipartisme. on était dans, engagé dans une espèce de, deal qui, qui, était très passionnant. Et les journalistes de l'époque euh, étaient plutôt des gens qui se prenaient pour des soldats, <laughs> des oh. militants, pour, pour, pour être plus simple. Et en ce sens qu'ils étaient très enthousiastes. Je me souviens très bien, de l'époque, vous avez dû connaître, entendre parler de certains, on commençait à travailler le matin, on quittait quelquefois à minuit c'est pas, c'était pas pour l'argent. Les gens savaient que ce qu'ils faisaient, ça comptait, que c'est le Niger qui bougeait. Donc on était, le contexte était différent. Il y avait une sorte de journalisme militant. On n'était pas des, membres des partis politiques, mm. mais on trouvait que le travail qu'on faisait était, était bon, était bon et que ça nous impliquait. bon. Entre-temps, donc dans les années 90, vers la fin des années 90, un certain nombre de journaux, quand nous avons ouvert la brèche, un certain nombre de journaux privés sont commencé à, fleurir au Niger. Il y a eu plusieurs journaux et je pense qu'à l'époque c'était le démocrates, le Républicain. Et puis, avec le multipartisme, il y a eu un forçonnement de la presse, avec euh, forcément, forcément, inévitablement, euh, des aventuriers qui, vont s'enfoncer également dans la brèche. Les gens qui euh, se disaient, tiens, finalement, on peut gagner facilement de l'argent avec ce métier, il suffisait seulement d'avoir un ou deux, trois sponsor Et le sponsoring a pris le relais de la de l'engagement entre oh. guillemets. Et j'avoue qu'aujourd'hui, euh, le caractère partisan des journaux ben, d'aujourd'hui tient souvent à des motivations financières. Euh, euh, du côté, des deux côtés, il hein, faut pas, faut pas non plus là la thème sur un, groupe par rapport à l'autre. Du côté du pouvoir comme du, comme du côté de l'opposition ou, des groupes qui ont des intérêts un peu plus. Euh, qui sont moins avouables également. L'argent circule beaucoup. L'argent circule beaucoup et la conscience professionnelle s'étiole tout, tout, tout, tout doucement. La déontologie, on commence à perdre ça petit à petit de, vue ce qui, est, pour revenir un peu à mon, parcours, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai senti que je n'étais plus ma place dans ce, dans ce cafarnum et que j'ai décidé d'aller donc euh, exercé ailleurs, notamment en rentrant aux Nations Unies. J'ai fait une carrière d'une dizaine d'années euh, j'avoue que là-bas aussi, j'ai pas trouvé toute la satisfaction que je recherchais. Ah oui, et vous êtes revenu entre-temps. Voilà. la oui. chasser le naturel, oui. <laughs> <laughs> j'avoue que, mais ça m'a fait du bien cette espèce d'intermède là, parce que j'ai vu autre chose, j'ai vu ce que c'était un projet, comment fabriquer les projets, et, je voulais connaître d'autres choses, et, euh, c'est pas, je le regrette pas, mais j'avoue que euh, l'engagement que j'avais de travailler pour développer, pour participer au développement du pays, cet engagement n'y était pas, parce que euh, on était là, on avait de gros salaires. là, par contre, on avait de gros salaires. Ah <laughs> oui c'était très confortable. <laughs> Et non, je, ne sais pas. Je, suis ainsi fait que j'avais besoin de cette passion-là, de cette fièvre-là. Et je suis revenu avec euh, la nation. Ok, d'accord. Monsieur Diop, que pensez-vous du journalisme qui s'est fait aujourd'hui à l'heure du numérique c'est ça, à l'image du journalisme qui s'est fait dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, c'est euh, c'est les mêmes euh, c'est les mêmes médias qui se, qui se reproduisent maintenant en ligne. Il n'y a pas quelque chose de très particulier, mais je pense aussi que euh, ce qui est intéressant, je ne sais pas trop, moi-même, je ne suis pas très adepte de la, du journalisme en ligne, je ne sais pas trop comment ils font pour vivre, hein, ces, gens-là. Je ne sais pas si réellement euh, ils arrivent, il y, a un retour sur investissement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai demandé à plusieurs d'entre eux, j'ai dit, mais comment vous faites pour vivre Où est-ce que vous récupérez l'argent ben, ils n'étaient pas très clairs là-dessus. Donc, euh, euh, c'est nouveau chez nous, mais je ne sais pas s'il y a un système de récupération des sous quelque part, je ne sais pas trop. Je sais que celui qui est le plus, les tout premiers ne sont pas si heureux que ça. Hein. Ils ont l'air de vouloir se dire que non, ça fonctionne pas très bien, mais bon. les réseaux sociaux fonctionnent mieux. Les réseaux sociaux fonctionnent mieux, mais comme le disait tout récemment une autorité, les réseaux sociaux, c'est une minorité de Nigériens qui, qui, ont accès à ça. Il faut avoir Internet, il faut avoir accès... Euh, c'est pas c'est pas encore évident. Donc les, médias, radio, télévision, presse privée, euh, ils ont encore leur place dans, notre pays. encore une anecdote parce que <laughs> j'adore les anecdotes. <laughs> c'est l'expérience qui est importante. quand, on tirait à, à un moment donné, est-ce que tirait jusqu'à 15 000 exemplaires et pour la petite histoire, l'ensemble de la presse écrite actuellement ne tire pas 15 000. Donc, à nous tous seuls, on tirait jusqu'à 15 000 exemplaires. C'est énorme. Et ce qui était, et ce qui était extraordinaire, c'est là où euh, c'était fantastique. Je suis passé devant le score. Vous voyez un regroupement. Il y a un seul qui comprend le français, qui lit et qui traduit à 10, 15 personnes. Et les gens applaudissaient. <laughs> c'était, c'était fantastique. Ah, et ça, quand vous voyez des choses comme ça, vous êtes euh, très fiers, très fiers de, de savoir que le message passe et que euh, il y a beaucoup de gens qui, qui sont là. Beaucoup de gens me connaissaient sous le nom d'Ibrichek, Ibrichek. Ils pensaient même que j'étais un Polonais. Mais à un moment donné, beaucoup de gens me disent, mais vous connaissez pas ce type là, alors que j'étais en face de la personne. <laughs> il y a clairement beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps nous est compté. Euh, merci, monsieur Ibrahim Chèque Diop, de nous avoir honoré de votre présence ici au studio Kalangu. Merci. Excellente journée à vous. Nous poursuivrons euh, cette discussion sous un autre format. D'accord. <laughs> voilà. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit sur les ondes de nos radios partenaires et sur le site www.studiokalangu.org. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous allons à la rencontre de la promotrice d'une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire. Elle nous explique l'importance d'investir dans ce domaine. Faire consommer nos produits 100% fabriqués au Niger est leur objectif, explique Madame Oumulker Souley, interrogée par Aïssa Hamadou. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat tout d'abord pour être indépendante financièrement et apporter euh, une valeur ajoutée au développement du pays. Donc Saveur d'Afrique, euh, tout d'abord, est un service traiteur. Nous faisons la livraison des plats dans les bureaux et des pauses café, pauses déjeuner. À part ça, nous transformons des jus naturels. Nos produits sont locaux. Pourquoi Parce que les bouillons alimentaires non seulement sont faits à base d'herbes, du persil, du basilic et de l'oignon. Et le bissap, nous avons ça ici dans les villages parce que c'est produit par les agriculteurs euh, Quels sont les avantages que vous avez eus dans votre entreprise Les avantages qu'on a eus dans Saveur d'Afrique sont énormes parce que euh, après le Covid, j'ai concouru à une euh, CPA organisée par la maison de l'entreprise. J'ai été lauréate. Mon entreprise a été acceptée pour un accompagnement de subvention. Et après ça, en 2022, j'ai aussi reçu euh, un accompagnement du Fison hein, avec la BACRI. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées Au tout début, en fait, c'est la relation client qui était la difficulté. Euh, le marché, conquérir le marché était vraiment pas facile. Au fil du temps, nous avons pu créer une relation vis à -vis des clients pour qu'ils acceptent nos produits locaux et en même temps les difficultés que nous avons rencontrées dans notre entreprise, c'est quand le Covid s'est annoncé. Nous avons perdu tous nos contrats parce que avant la transformation agroalimentaire, on était dans le service traiteur avec plusieurs euh, sociétés. Donc du coup, c'est le Covid en fait qui a fait en sorte qu'on a évolué beaucoup plus dans l'agroalimentaire. Quel appel avez-vous à faire l'appel aux femmes, euh, pas seulement aux femmes, mais aussi aux jeunes, aux jeunes qui sont là, qui veulent vraiment euh, finaliser à l'université ou bien finaliser aux écoles professionnelles, après aller travailler dans des bureaux, etc. C'est tout simplement leur dire, ça vient de l'ancienne idée. Aller à l'école pour avoir une formation, un diplôme, mais avoir un projet, une idée qui va créer plus d'emplois, euh, innover le potentiel talent qu'on a, euh, c'est tout simplement dire que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais avec plus de, courage, de détermination, de persévérance, la confiance en soi, il le faut et il faut être dynamique. Avec tous ces atouts-là, nous pouvons aller à coup sûr. Donc si nous tous nous nous mettons ensemble à entreprendre. La majorité, je vais dire 50% doit entreprendre. Notre pays va se développer le plus rapidement possible. Mais si tout le monde se permet d'aller travailler dans les bureaux, ça ne va pas marcher. Il nous faut créer des emplois. Le Niger, je me dis, c'est un pays pauvre. Même si tout le monde ne va pas s'installer, au moins la majorité des gens s'installent dans la transformation ou bien l'agriculture, parce que la terre ne mange jamais. Merci Aïssa, faisons un tour euh, en musique, c'est juste magnifique comment Denke Denke utilise les instruments traditionnels dans ses compositions. Écoutons ensemble le titre Mede Egwanga qui signifie la mort est une réalité. Il est certainement l'un des artistes nigériens les plus connus, aussi bien ici au Niger qu'à l'étranger. Ses compositions portent fondamentalement sur les caractéristiques de la culture nigérienne, l'utilisation d'instruments traditionnels, flûtes typiques de la tradition des bergers le kalangu, tantam des connu sous connus dans euh, les milieux Hausa et Germain, des instruments à cordes comme le Komsa ou le Molo, sans oublier la basse, largement utilisés dans les traditions musicales nigériennes. Ces chants tirés du répertoire local peuvent et Songaï. tels sont les principaux éléments qui caractérisent les compositions de cet artiste. Et pour couronner tout, rabi, Yakuba Moumouni reflète de, reflète de par son habillement toute la culture peul, eux, sont à travers les grands boubous et surtout les pagnes tira-tira. Denkedenke de nous faire danser autant. Passons à la rubrique écho des régions et partons dans le Gobir, à Maradi, pour parler culture. Avec 5000 ans d'histoire selon les études de l'Institut de la recherche en sciences humaines de Maradi, le royaume du Gobir transformé en sultanat garde encore toutes ses estimes pour la Inna, la princière détentrice du pouvoir mystique de la cour. Yahya Bawa, le jeune journal du Gobir, explique le rôle de l'importance de la INA. Il est interrogé par Mohamed Maman. Inna, c'est la deuxième personnalité du Gobir. Après le sultan, c'est Inna qui vient en deuxième position. Inna, c'est une femme prince. On ne peut pas élire n'importe quelle femme sur ce tronc si elle n'est pas prince. Inna, c'est une femme qui est avec le sultan, qui l'aide à réconcilier sa population, qui l'aide à des femmes qui sont possédées par des génies, qui l'aide à des femmes qui n'ont pas où aller s'asseoir. Alors, elle euh, occupe aussi euh, la place de la détentrice du pouvoir mystique, c'est ça Oui, c'est elle qui détient tous ses pouvoirs. Je vous ai dit que eh, les possédés donc euh, si on parle de posséder, c'est vraiment de pouvoir mais Donc c'est Inna, comme euh, on l'amène beaucoup de malades qui sont touchés par des génies. Donc on l'amène chez Inna. C'est elle qui va s'occuper d'eux parce que c'est elle qui connaît ce volet. Comment on élise Inna au sein du sultanat Au sein du sultanat, nous ici au Bobir, on a quatre familles. Yakuba, Gonkawa, Nafata, Jangorza il faut que nécessairement que cette femme-là sorte d'une de ces quatre familles. C'est à ce moment-là, si une qui est là, elle est décédée ou elle a démissionné, maintenant c'est le sultan qui choisit parmi ces quatre familles la femme qu'il veut qu'elle soit une. Et encore en plus, il faut une femme qui est possédée elle aussi. Même si elle n'est pas possédée par des génies, il faut qu'au cours de l'intronisation, la semaine qu'on fait, il faut qu'elle soit elle aussi mise à surite. Elle a un palais, elle a ses notables, comme le staff du sultan. Nous savons que c'est dans la tradition du Gobir, c'est la culture Gobir. Nous voyons aussi autour d'elle, c'est le folklore de Gobir. Oui, tant te dit les femmes possédées, c'est les Mbori, les Bokaï, tout ça là, c'est autour de elle garde toujours euh, cette euh, importance, vu que les choses ont changé, que la modernisation est en train de, de percer. Non, elle garde toujours sa place, ici au Gobir. Nous, on a vécu, on a vu, depuis l'Antiquité, il n'existe et jusqu'à présent elle existe. Et le rôle qu'elle joue dans les années passées, même aujourd'hui, c'est ce rôle-là qu'elle joue. Le seul rôle qu'elle ne joue pas, c'est que même nous, les hommes, c'est la guerre. Elle n'a pas en guerre, comme les hommes. Maintenant, il n'y a plus de guerre, il ne nous parle pas en guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte pour votre culture que euh, cela disparaisse Non, il n'y a pas de crainte. Si ça disparaît, c'est autre chose encore. On nous signale Mohamed Maman à l'autre bout du fil. Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci pour cette belle découverte. Hein. Je vous en prie. Alors Mohamed, quel regard portent les populations de Maradi, notamment du Gobir, hein, sur la INA euh, Alors comme, qu'est-ce qu'elle symbolise vraiment euh, celui qui nous avons interviewé, effectivement, Inna garde encore sa place. Inna est euh, un personnage important euh, dans le sultanat du Gobi. Elle est d'ailleurs la deuxième personnalité après le sultan. C'est Inna qui détient aujourd'hui tout ce qui est pouvoir mystique du, Gobir. Donc Inna, jusqu'à preuve du contraire, garde son pouvoir et elle est très respectée ici au Gobi. Mohamed, hormis l'aspect mystique de sa position, qui représente vraiment la Inna pour les femmes de sa communauté Allô Oui. Mm-hmm. Je reprends. Hormis l'aspect mystique de sa position, qui représente vraiment la INA pour les femmes de sa communauté La INA représente euh, une protection pour les femmes. Parce que Inna, hormis donc, comme vous l'avez dit, le pouvoir mystique qu'elle détient, il s'occupe aussi de tout ce qui est euh, social en ce qui concerne les femmes. Quand vous partez aujourd'hui chez INA, vous allez trouver des femmes euh, qui sont, euh, disons-le, qui ont une déficience mentale. C'est INA qui s'occupe de ces femmes. Les femmes qui ont des problèmes dans leur couple, c'est INA qui s'occupe de ces femmes. Donc INA constitue aujourd'hui une protection pour les femmes dans le gobier. Ok, ce symbole de force et de puissance pour les femmes. Justement. Justement, justement. Merci Mohamed pour ces précisions. Je profite de cette occasion pour faire un clin d'œil à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté de Maradi. Chers auditeurs, et maintenant, place au sport avec Abdulkarim Gourouza Hassimi. Qui vient juste nous rejoindre. Bonjour Gourouza. Bonjour Rabi, bonjour Salamato. Alors Gourouza. Comment se poursuit la Super League du Niger Oui, nous sommes à la 21e journée. Il y a eu euh, trois rencontres L'Union sportive de la gendarmerie a disposé de l'AS Police sur le score de 1 but à 0. Victoire des Bleus Blancs de Quartegui, le Liberté devant le Jongorzo de, de Maradi, dernier d'ailleurs au classement sur le score de 1 but à 0. Les Rouges Blancs de Lakurusu, l'OFC a battu la GST de Tawa sur le score de 3 buts à 1. Au classement provisoire, l'AS Garde occupe toujours la première place avec 42 points Devant la gendarmerie, 38 points. Troisième, AS Douane avec 37 points. Gesté de Tawa et Jean Gorzo de Maradi occupent la 13e et 14e place, ça veut dire en queue de peloton. Et c'est demain la finale de la Coupe nationale. Oui, Rabi, l'AS Garde nationale et l'AS Douane vont tenter d'arracher la Dame Coupe du Niger. Demain, le stade général Séné Kounché de Niamey sera vibré au rythme de la musique militaire. La rencontre sera rude mais les deux équipes vont mouiller le maillot et surtout compte tenu de leur position dans le classement de la Super League. Cette saison, euh, l'équipe de la garde se porte bien, d'ailleurs très bien. Mais les douaniers également ont un atout euh, sur le terrain, la résistance. Donc, les bérets bleus ne vont pas se laisser faire. C'est le public qui euh, fera le déplacement du stade Gérard contier qui sera regalé. L'équipe vainqueur empochera la bagatelle somme de 20 millions de francs CFA et représentera le Niger à la prochaine Coupe de la CAF. L'équipe perdante aura 5 millions de francs CFA pour consoler, consoler, pour se consoler. Voilà pour le soir. On peut, connaître l'heure de, de, ce match, c'est à quelle heure Ah oui, c'est à 16h30. C'est à 16h30. Ah ok, merci. merci. beaucoup, merci beaucoup, Groza. Chers auditeurs, surtout maintenant, on part sur notre plan. À présent, notre portrait. Nous allons à la rencontre de Hassan Zangina, âgé de 24 ans, après l'échec dans ses études secondaires Maintenant, il cumule aujourd'hui deux métiers à Niamey. D'une part, il fait de la boucherie et la vente de hijab, d'autre part. Oumu Oumaru s'est entretenu avec lui, on les écoute. wani lokaci ka fara sana'a sai da nama da sana'ar ɗinka hijabi site Demir Kenz ina jiya na tsaye da karatun na dawo nan ga shi kaɗan kaɗan hakan ga a daina samu na fara dai koyon wanga aikin na nama ina da shekara ashirin babu ya. shi kuma aikin hijabi kama akwai wani garan fara da kina wanda yake aiki ne shi zabi shi ma bayan ina cika aikin naman da lokacin naman ya fara tsada kwarai sai na dan janye na koma can wurin aiki ina koyo kadan kadan shi ma akalla yanzu ina da shekara biyar cika aikin ijabi ko shi nama shi na fara yi amma ijabi bayan na fara aikin nama ne daga baya sai koma na fara yin ijabi shi man fara ka taba samun matsala cikin wannan kasuwanci ba a fata amma dai dan kwanan nan kadan na dan shiga matsalar shi kadan lokacin da naman nan yayi tsada kwarai ba dai dan kwanan na baya gaskiya na shiga cikin wannan tsangi mai sai Allah ya sa da iko shi na samu wannan walwala insha Allah Hassan wani alheri ka samu cikin wannan kasuwanci da ke yi na samu alheri cikin shi gaskiya alherin da na samu wallahi in kan kai na ban iya kawo in ce ga iya baki abin da samu alheri dai na samu shi sosai cikin wannan aiki da kai na ijabi eh hadda dai nama shi ma na samu shi tsakanin abokan sana'a kuna amfanin juna gaskiya abokanan mu matasa dai waɗanda muke sana'a da su sai in ce gaskiya muna amfani da juna muna alfahari da juna mu cikin mu duk wanda ya shiga irin wannan matsala ta haraka sana'a za a tallafa mu mutum ya samu ya take shi ma ya fita cikin wannan kanye ka wani cira gare ka zuwa ga abokanka matasa matashi ya tashi ya kama cikin shi da lokaci na ga tahiya idan ka kai wani matsayi ba za ka iya yankuri ba kuma sana'a tun kana yaro ya kamata ka fara sanin abun da a sana'a idan eh, idan babu sana'a mutum mutum ya ci baya inda ka ce zama za ka yi inda ka ce zama za ka yi babu aikin yi to sai ka iske ka shiga rashin gaskiya in baka shiga wani hali na sata ba ko dai waɗansu abun da sun kai kama da haka. Me ya baka sha'awa yin sana'a bibi? Eh kuma abun da gaskiya zan iya cewa ya ban sha'awa na shiga wannan sana'a bibi lalle na so lokacin da na iske ana wannan nama na fara yi kaɗan kaɗan ina zauwa ina ɗan ɗaukar da mi guda haka mai gida yana ɗan bani yana ɗan huta haka ga shi ɗan auna min ɗan duduwa wannan ga ɗanye datsa ina datsawa kan Merci chers auditeurs, auditrices. Faisons une autre balade musicale. Cette fois-ci, nous retrouvons le groupe Soga avec le titre Aïr Ténéré. Soga chante la beauté du groupe. Désolé, Soga chante la beauté du grand désert du Ténéré. Soga est un groupe musical néo-traditionnel qui associe des instruments traditionnels et modernes dans sa musique. Les compositions musicales de Soga sont issues d'un savant dosage des rythmes traditionnels et modernes obtenus à partir des instruments comme la guitare basse électrique à quatre cordes, la guitare solo électrique à six cordes, le luth traditionnel monocorde ou kontigi, la calebasse percutée par des bagues et un tambour. Kalangu, les thèmes abordés portent entre autres sur le désert et sa beauté, l'amour, le cousinage à plaisanterie, l'unité nationale, etc. le groupe SOGA, parlant d'éducation des enfants dans le cadre familial. En effet, il incombe aux deux parents, si possible, d'éduquer les enfants sans préférence ni exagération. En effet, ce qui ressort de cette discussion dans la chronique Loti. Samira Wafi et Rekia Alimi nous en disent plus. Kiji matsukiji Kiji matsukiji matsukiji hey Kiji kike kai mun daɗe da juna fa kuma ke kuma ba a ganin ki sai lokacin biki wallahi haka ne yaya ta lahiya ta lau wallahi na gode ma Allah gaskiya ki haƙuri tsakanin aiki da yara shine ya ƙara rikita komai wallahi bani ma samun daman zuwa ganin 'yan uwa da amanan arziki to kina da gaskiya a hakan dai kai to yaya kiki ya kuma yaran nawa da babansu to lahiyar silau sun gode ma Allah kin san yaya in kina da ɗan lokaci kaɗan ina son mu yi hira da ke saboda in ƙaru da ki masu mahimmanci A ba matsala, zo mu koma gehe inda ba hayaniya. To, gaya mini. Kin saya ko ta babban matsala tsakanina da mijina. Subhanallahi, me kike nufi? Gaya min da kyau in ji. Kin san yaran nawa ne ya yi ka da mahimmanci da ni. Ami, ban nan ga gane ki. Yaya zaki yi irin wannan zancen? wallahi gaskiya nake faɗa miki to gaya mini dalla dalla in gane tunda ni abin hoya har dar mai mini kai duba ki ga saboda mijina yaran nawa ba su ma girmar da ni sai dai kawai lokacin da baya nan ne na suke samu masu dan saurare ni kula da gidan nawa ma sai in baya nan ne hankali na ke dan kwanta na yi shi ami me kike nufi a cikin wannan zancen a cewar mijina bani da wani inci in tambayi 'ya'yan nawa ma su yi mini wani aiki ɗan guntun aiki ni ce ya kamata in yi komai in ma ni ina da bukatar in yi mai magana in yara sun ce su ma suna son su yi hira da shi zancen nawa kenan ya fada ruwa komai mahimmancin maganar ya kamata ya kare da yara sannan ni ya saurare ni subhanallahi menene wannan kuma kin san da dai bani miki ƙarya abin yana bani mamaki abin da kike gaya mini yana bani mamaki sosai. Haka rayuwata take. Kin taɓa yin ƙoƙarin ki yi wannan zancen da shi? Wallahi so da yawa na so mu yi magana da shi, amma kawai sai ce mini jinini na daina yi yawa ba wani abin magana ba ne. To, kai, abin nan da kike haɗi gaskiya yana ɗarmi kai. In an ga mijinki kuma kaman wani salihi kaman ba mai irin wannan abin da kike haɗi mini ba. shi inda ne babban matsala dan shi ne kike ganin ba ni ma in yi magana da wani saboda ko na haɗe wallahi da wuya a yarda da ni ke ma dan kina yar uwata ne haba ami ke fa ya kamata ki ja hankalin mijinki bisa kan wannan yanayin bisa kan wannan halayyar da yake yi in ba haka ba fa tarbiyyar iyanku zai lalace kamar yadda yaran suke da inci a kan shi haka ke ma matar shi kina da inci a kan shi mijinki bai san ba da cewa in yana irin wannan halayyar yaranki ba sa girmama ki ba ba sa ɗauki zancen ki ba wannan kuma ya kai ga inda za su ce baban nasu ya hi son su da ke kuma wannan babban matsala ne ai abun takaicen ma ya safi ki duba ki gani fa in baya nan ya gannan hankali kwance duk abin da na ce haka nan suke su zamna ɗan amma da ya ɗauko kafa ya shigo cikin gida to wallahi komi baki iya sa yaran nan su miki saboda da kin yi ɗan magana kaɗan za su gudu su shiga ƙarƙashin ƙawahun shi su ce gashi nan kin musa haka kin musa haka sai a aza kuma wani takura musu kike in baya nan. To duba ki ji amin wannan dai mafitar da ita ce ki je ki haɗi ma manya tunda babban matsala ce kuke nan ga shiga tarbiyyar yaranku yana cikin hatsari hana yara su yi miki aiki kamar aiki mai wuya wannan ana iya ganewa amma a ce ya fi fifita su da ke wannan gaskiya abu ne da bai kamata ba gobe gobe wannan ki je ki tattara manya ki gaya musu matsalarki to na gode ya yi safi da wa'annan muhimman shawarwari da kika bani haka zan yi insha Allahu don samu in shawo kan wannan matsalar ba matsala ami ki yi kokari dai ki taiki ga manya in Allah ya yarda matsalar ki za ta warware Merci à l'équipe femme du studio Colingou. Passons à la rubrique culture linguistique à présent. Aujourd'hui, nous allons parler de cohésion sociale et c'est Alamine Ouachar qui est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Alamine. Bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Aujourd'hui, nous allons parler de la cohésion sociale à la faveur d'une formation organisée à Walam pour les vivre ensemble. Il s'est défini comme la propriété d'un ensemble dont toutes les parties sont solidaires, un endroit où règne la solidarité. On peut dire que c'est là, c'est le cas où les différentes parties d'un État sont solidaires, vivant ensemble sans problème entre communautés, les populations qui vivent ensemble. Donc gardons en tête que c'est un processus individuel et collectif qui contribue à assurer à chacun l'égalité

win kalowkalownen artan winduza wenen nima tafgaraytedan nima zdiya nima gena aholen olaagnen maday idruwan taanad intanay astawno falaganna wahadan lantaratana gootnen daqa amasna dowlad asi moosaas ay teedena dowlad da jamciyaataneed iddeewan wurtutilel masaalt waliyad gartamaatiwen dal ummad agaanaqime hooseen أدنى نودا أرتوزي قوين دا غفنة تسددوا يفراغا دي قستياتو تفراغا دي قلو فلا أنا مطاف قرتماتي وين أرتدو زاوية يكيني انتاد الفلاغنا ويقلن الستدي نقرو ان تقدر دغال حقا وين موصلنا الحقا وين كص الشريعة موصلنا نرد أزي شودا تاتي ندمر دغن منك أمت Merci à la Ouachar, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir d'amples explications en anglais, Hausa, en germain, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Salut, je crois qu'il est temps à présent d'écouter nos auditeurs. aimar hajar hamidu balle yara gina ya se kwaba kwakwarbe la alhamdulillah si de kala sigiro wallahi rigo gudu ara bon fere zama har yanno rigo gudu ara kai sindi mana makai duwa rigo gudu wai gumo rigo mare wallahi gwanda bon fere gumo to ai ga kai fo kan gonya mai kan signe rukayya ai ga kai fo kan godo kan sigine fati na se wai mai ai ga biyar fo kan go kwakwarbe na se fati ai ma ga ci halim musa gina sai malikanya wallahi ruwa studio kalan gusi giraiwo irno ma akani gumgumo zama gun labari yan gona kan yirgama studio kalangu gici wodi hinna wasir sebere to walla ai wasu gida kan ga hangan kalangu ni di gurugu igano labari labaro ki igano sintina franski ni gano di ban gato ni ga imino ballaci ni di ban wodi gato ni ga imino fulanci ni gato ni ga imino hausiki ni gato ni ga imino zarmici ni ai ga halima daddalo fo kan go gubze no ai ga tani fo kan go gubze no ai ga hayu fo kan go gubze no ai no hadis abdu kan go ballara studio kalangu sigira ki gidan aga ko zama ise har da no ka ta batanta ka cimino irgo hanga ni se gungumo wallahi to irga hanga na wai bare wana ga on zar ko midi niger da studio kalangu wana haywa ki gida irgi hanga wucir kan bu ga mo irgi hanga kalam ko almari 18 haga wai bare wana fakaga ga irgi hanga o irgi hanga ai ga fere fo kan gono din gaya ai ga halima fokan gono ya won yamai ai ga aisa fokan gono din yamai zainabu ya ya kan go alkama wallahi istigo kalon gushi gira irsa bu gumo zama kan dirse bon fere kan bon borai shi bai so an binde borai bon ai feri burkul kan na feri wo rajo hangan niga du labari kan ni man bai gadi sigiro kan ga bejen daga cifa kara kan borai go ga te za on zarme da alasar tunai premier ai ga hawai fokan go aggo ai go ga fo go ga bana in kan ta ai go ga madan kan go alkama fo in zanta mu ai go ga Nafisa Adamou est là pour nous présenter les titres du journal de 17h. Rebonjour Salamatou. Bonjour, Bonjour, Bonjour Dans nos éditions de cet après-midi, vous entendrez le cri de cœur d'un enseignant de la région de Maradi sur les conditions de vie et de travail de ses collègues dans un contexte d'insécurité. Ensuite, il sera question d'une réunion de sensibilisation tenue à Indindimi par des époux qui empêchent leur femmes de fréquenter les centres de santé. Le magazine nous édifie sur l'importance du gommage traditionnel de la tradition touareg et à partir de 18h15 interviendra le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Merci, Merci Rendez-vous à 17h. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et moi-même Salamotsu Kadri. À l'édition, vous avez Rahilatou Soumana, la technique est assurée par la Seini Isaka. Ne ratez pas l'actu des jeunes et tout à la fada de ce samedi et dimanche à partir de 17h sur nos radio partenaires et notre site web www.studiocalangou.org. Excellent week-end à tous.